le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, de Bouza, tamaske Mainosroa, Magaria, mayaï Dorbel et Saï. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à la problématique de l'assainissement, de la prévention de la gestion des inondations et des catastrophes, principalement dans la ville de Niamey, où il a été enregistré en moins de deux semaines de nombreuses familles sinistrées et même des morts suite aux pluies diluviennes un drame euh, qui se répète chaque année et pratiquement au même endroit de la capitale. Dans la première partie de ce forum, nous allons parler de la problématique des infrastructures d'assainissement dans la ville de Niamey. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons parler des préventions de la gestion des inondations et des catastrophes à Niamey. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Sissé Mahamadou, directeur de l'urbanisme au gouvernorat de la région de Niamey. Sissé Mahamadou, bonsoir. Bonjour. Nous avons également Ousmane Dambadji, coordonnateur du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia. Euh, donc, euh, un observateur de la scène, Ousmane Dambadji, euh, bonsoir. Bonsoir. En 2012, euh, c'est un rappel, euh, plusieurs quartiers de la ville de Niamey ont été inondés avec comme conséquence euh, d'importants dégâts matériels et même des pertes en vie humaines. De nombreuses inondations essentiellement provoquées par des fortes précipitations enregistrées, mais aussi le débordement des eaux du fleuve Niger. Faut-il le préciser, les inondations de 2012 ont mis en nu les manquements ou plutôt l'insuffisance des infrastructures adéquates d'assainissement dans la ville de Niamey, mais aussi l'on a constaté que certaines familles habitent carrément dans le lieu du fleuve. Monsieur Sissé euh, Mahamadou, vous êtes le directeur de l'urbanisme au niveau du gouvernement de la région de Niamey. Quelle est la situation actuelle des infrastructures d'assainissement dans la ville de Niamey nous allons d'abord faire une analyse diagnostique de la situation. Comme vous l'avez précisé, nous avons deux types d'inondations dans la région de Niamey. Les inondations qui sont donc provoquées par les fortes précipitations enregistrées, puis les inondations qui sont dues aux crues, généralement à la crue guinéenne, que nous appelons crue guinéenne, qui prend sa source en Guinée, Mali et autres, qui se déversent. Ça, au courant des mois de septembre, octobre, novembre. Donc, euh, nous avons d'abord le premier phénomène, le dysfonctionnement du réseau existant. Vous savez que la ville de Niamey, face donc à cette insuffisance de moyens, n'arrive pas à curer les caniveaux, n'arrive pas à les curer à temps et normalement. Et en plus, euh, depuis 1989, en fait, entre la période 81-89, un réseau de collecteurs enterrés a été mis en place à Niamey. Et ce réseau, à ce jour, n'a jamais connu de curage. Et pourquoi, selon vous Bon, je ne saurais vous le dire parce que curer ce type d'ouvrage nécessite des moyens importants. Parce que c'est quand même des collecteurs de dimensions très importantes hein. souvent 2 mètres 30 de hauteur sur 3 mètres de largeur. Pour y travailler, vous voyez bien, avec la production des gaz et autres, ce serait vraiment difficile. Ce serait difficile pour les agents de la ville. Il faut des ressources spéciales pour ça. Il y a aussi l'insuffisance du réseau de collecteurs comme je l'ai dit, depuis le schéma directeur d'assainissement de la ville de 81, qui a connu donc une certaine mise en œuvre jusqu'en 89, où je disais tantôt que des collecteurs enterrés ont été construits, aucun ouvrage, en tout cas d'envergure, n'a vu le jour. Il n'y a qu'en 1992 où Nigetipe a essayé de doter certains quartiers qui étaient menacés. Il a essayé de les doter de, de caniveaux. Ce sont les quartiers, par exemple, de Banifondou, de Chevaux Garage et autres les quartiers routes euh, route et principalement la commune 5. Mais ces, collecteurs-là sont restés sans déboucher. On les a construits, mais maintenant sans exutoire. C'est-à-dire que l'eau n'est évacuée nulle part. Puis ensuite, il y a l'occupation anarchique des espaces inconstructibles. Quand vous prenez par exemple la, commune 5, toute la zone alluvionnaire qui longe Nogari, Lamordé, qui va sortir vers Bangabana, toute cette zone-là, ce sont des bras morts du fleuve ou alors des affluents du fleuve Niger. Ce sont des zones qui sont classées comme inconstructibles, mais malheureusement, les populations s'entêtent à s'installer. Et c'est même dans ce cadre qu'en 2000... Euh, Grâce au soutien de les, des différentes mairies euh, Ça, je ne saurais le dire. J'ai dit, les gens sont généralement têtus. C'est justement pour cela qu'en 2012, au moment où Mme Kane Aichato était gouverneure, elle a initié le relogement de ces sinistrés-là au niveau du camp de Sénon. Sénon Plateau. Sénon Plateau. À peu près 950 parcelles ont été produites pour reloger l'ensemble de ces sinistrés dans cette zone. Monsieur Sissé Mohamedou, quels sont les quartiers du Niamey euh, qui sont les plus exposés aux conséquences liées à l'insuffisance ou bien au manque euh, d'infrastructures euh, pour parer au risque d'inondation Vous savez, depuis la libéralisation des lotissements, je peux dire que le réseau, en tout cas, aucun réseau d'envergure n'a été mis en place. Parce que les lotisseurs privés sont tenus de mettre en place l'ensemble des réseaux d'assainissement, de collecteurs, d'électricité, d'eau, d'amener d'eau et même euh, de lignes téléphoniques. Mais généralement, c'est des trucs qui ne suivent pas. Euh, nous avons euh, colonel Sidi Mohamed, euh, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers qui est en ligne. colonel, à pareil moment, vos services sont très sollicités et vous avez certainement beaucoup travaillé ces derniers jours. Dites-nous brièvement le bilan de vos interventions suite aux fortes précipitations de ces dernières semaines. Donc, suite aux fortes précipitations de ces dernières semaines, nous avons eu, euh, comme je l'ai dit, à déclencher le plan de l'estage ou le plan parapluie. Euh, n'oubliez pas que nous, sommes des secours organisés et que chaque année, nous organisons les secours à apporter spécifiquement ou spécialement lors des, pluies. C'est pour cela que euh, nous, ne sommes pas surpris par donc le premier déluge, parce qu'on peut l'appeler comme ça, c'est un déluge parce que c'est une pluie exceptionnelle, la, pluie d'avant-hier qui a causé euh, beaucoup de dégâts au niveau de Niamey. Euh, ces dernières années, euh, sachant que nos villes sont des villes à risque, comme vient de le, dire, comme vient de le préciser mes interlocuteurs qui sont là-bas en studio, à cause donc la, du mauvais aménagement de nos, de nos villes, à, cause, par exemple, de, des voies euh, d'eau qui sont obstruées, des déversoirs qui souvent euh, n'existent pas ou même lorsqu'elles existent, ne jouent plus leur rôle. Alors nous, euh, on met surtout l'accent sur l'intervention, sur les secours. Alors pour cela, au niveau de la ville de Niamey, nous avons fait un quadrillage qui nous permet directement d'aller secourir la population. Nous avons sur Niamey à peu près euh, quatre casernes qui sont fonctionnelles où nous pouvons partir à n'importe quel moment. Malheureusement, la, dernière pluie qui a provoqué beaucoup de dégâts, euh, cette pluie est survenue la nuit. Vous savez, euh, lorsque vous avez une catastrophe la nuit, les gens ne sont pas vigilants, ça les surprend soit dans leur sommeil où ils sont à mesure de s'extirper donc du danger. Mais euh, tout de suite, nous n'avons pas attendu que les gens appellent les secours. Nous sommes partis directement au contact de la population. C'est-à-dire que les secours euh, ont été organisés de façon spontanée à aller secourir donc les victimes. Alors, euh, colonel Sidi Mohamed, est-ce que cette grosse pluie-là a été une surprise pour vous la, grosse euh, pluie, ce n'est pas euh, tout à fait une surprise parce que nous, nous savons, avec euh, donc l'état d'aménagement de nos villes, le, manque de déversoir, que lorsqu'il y a une pluie, parce que nous sommes habitués, régulièrement, ce sont les premières pluies qui font le plus de dégâts avant que les gens ne prennent les dispositions idoines pour pouvoir y faire face et atténuer donc les effets. Euh, euh, dans la majeure partie de nos, dans la plus grande partie de nos, villes, lorsqu'il pleut, c'est un problème. Ça, euh, nous le savons. C'est pour cela que nous prévoyons les secours donc d'avance. Colonel, selon vous, quelles sont les principales causes de ces drames qui ont endeuillé des familles et qui ont fait déjà des sans-abri alors que nous, nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies les causes, elles sont nombreuses. J'ai entendu euh, tout de suite les techniciens euh, euh, de la ville parler donc de l'obstruction des, voies d'évacuation, telles que les égouts ou les collecteurs ou les déversoirs, comme on les appelle. Et, vous savez qu'il n'existe pas de risque zéro. Hein. Dans les villes les plus aménagées au monde, dans les plus grandes villes, il peut y avoir donc euh, d'inondation. Mais euh, toujours est-il qu'il faut prendre des mesures pour les minimiser. Mais le risque zéro n'existe pas. Et ce problème-là, euh, quand je prends l'exemple de la ville de Niamey, les années antérieures, il n'y avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. c'est un problème d'éducation, c'est un problème de sensibilisation, c'est sensibiliser la population à s'auto-prendre en charge. Il faut que les gens apprennent à respecter beaucoup de choses. Quand, par exemple, vous voyez les gens qui déversent des immondices sur les voies d'eau, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est tout cela qui fait que lorsqu'il pleut, l'eau ne peut plus aller où elle doit aller. Obligatoirement, elle va stagner quelque part et en stagnant, elle va retourner généralement dans les concessions. Et c'est pour cela que je dis, hein, le, problème des inondations, ce n'est pas seulement le problème de la ville, ce n'est pas seulement le problème de l'État, c'est le problème euh, de tous les citoyens. C'est un problème de conscience, c'est un problème d'éducation. Il faut éduquer les gens à, éviter euh, un certain nombre de, de pratiques. Même si la ville est aménagée, même si la ville est bien aménagée, lorsqu'on obstrue les voies d'eau, lorsque l'eau ne peut plus s'écouler comme elle doit le faire normalement. Ousmane Dambadji, euh, l'on a coutume de dire qu'après la pluie vient le beau temps, mais ici à Niamey, la pluie est synonyme de calvaire. En tant qu'observateur, pourquoi le changement tant attendu tarde à venir avec euh, les mêmes problèmes aux mêmes endroits Merci Mokhtar pour l'opportunité. Je commence avec euh, la dernière phrase du colonel quand il parle du changement de comportement. Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que dans des situations pareilles, il faut changer les comportements, il faut communiquer. Communiquer trop pour une prise en, euh, une, une, meilleure prise de conscience où, où les gens doivent, en tout cas, il a dit, s'auto-prendre en charge. Mais malheureusement, nous sommes tous responsables. Tout le monde est responsable. les, les, politiques sont responsables, les responsables de la ville sont responsables, eux aussi, les sapeurs-pompiers sont responsables. Nous, en tant qu'acteurs, la société civile, journalistes ou acteurs, on est responsables. Parce que ce que le colonel vient de dire, ça aurait été dit bien avant cette situation. Et ça allait certainement apporter un grand changement dans la vie des citoyens. Il a dit, c'est des investissements qui sont faits à grand coût, mais les gens mettent, déversent des ordures. Les gens, ou bien souvent, quand les, les, techniciens de la commune, de la gouverneur a dit, quand on déplace les gens, ils reviennent eux-mêmes. Donc, tout le monde est responsable. Moi, je pense que et il a dit, les, techniciens du gouvernorat, euh, les derniers, je complète, les derniers schémas directeurs euh, d'assainissement de la ville de Niamey d'être de plus 10 ans et qui n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, avec l'AFD, les discussions sont en cours pour pouvoir le mettre opérationnel et aider ces, populations. Évidemment, quand on parle euh, de la question d'inondation, de la question d'assainissement, c'est la communication. Alors, pendant tous ces temps, là où je vois la responsabilité des politiques, six mois avant la situation, avant la saison des pluies, il y a des, il des études, des résultats des études qui sont, qui sont rendus publics. Évidemment, par des instituts de recherche qualifiés, ABN, Agrimet, beaucoup, ceux qui sont climatologiques ou bien, je ne sais pas, la, la, météo et autres. Mais ça n'a jamais été vulgarisé, ça n'a jamais rendu public et on n'a jamais sensibilisé les communautés pour dire voilà les dispositions qu'il faut prendre voilà cette année, elle sera une année de précipitation assez importante, prenez position. Personne ne le dit. Et si les politiques ne l'ont pas fait, si, je ne sais pas, eux, les propres ne l'ont pas fait, mais nous, en tant qu'acteurs, de la société civile, en tant que journalistes, on a le devoir, effectivement, de faire des sensibilisations auprès des communautés pour les amener à comprendre les risques liés à cette situation. C'est ça, un peu. Mais sapeurs-pompiers, il faut un travail excellent, mais ce n'est pas un travail préventif. Parce qu'on n'a jamais vu cette institution importante venir dire écoutez, en cas de pluie, dégageons le passage, ou voilà, il n'y a, rien. Seulement, c'est quand il y a euh, catastrophe, on le voit réagir. Alors qu'ils ont besoin d'une situation adaptable à leur, à leur contexte pour qu'ils puissent secourir les gens. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui ne peuvent pas rentrer parce que les gens n'ont pas été sensibilisés dans les constructions, dans la manière. Donc tout ça là, le travail revient à la société civile, le travail revient aux journalistes pour une véritable prise de conscience, pour un grand tapage médiatique, pour que les gens comprennent leur rôles et responsabilités dans une question de développement comme celle-ci. Euh, Ousmane Dambadji, tout à l'heure, euh, le directeur euh, de l'urbanisme du FENE dit dire qu'il y a un problème de moyens. Est-ce que l'État n'a pas failli à ce niveau Non, il n'y a pas question de moyens. L'économiste l'a dit, ce n'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'assainissement, est-ce que quelqu'un va venir payer à ce qu'on déverse, assez qu'on dégage les Non, tout le monde doit mettre le sien, tout le monde doit travailler. Aujourd'hui, nous avons des caniveaux. J'ai entendu le, gouverneur dire qu'il y a des caniveaux que tu es bouché, tu as pas de moyens. Ce n'est pas l'État seulement qui doit mettre le moyen. Nous avons des braves Dans le quartier, qui, a, gâté les caniveaux Le colonel l'a dit. C'est nous qui mettons des ordures, c'est nous qui mettons des matelas, des cadavres des animaux pour boucher cela, connaissant très bien les conséquences néfastes que cela peut engendrer dans notre quartier. Mais nous avons, mais dans quel quartier Il y a des quartiers qui les font, des braves qui sortent, qui essaient de, de, les caniveaux. Si chacun le fait dans sa fait de responsabilité, on pourra évoluer. Le développement, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le propre empire, ce n'est pas les collectivités, ce n'est pas la mairie. Le développement, c'est d'abord soi-même. Il faut qu'on accepte le changement, il faut qu'on accepte l'émergence nigérienne si on veut aller de l'avant. Mais les gens sont là, il y a d'autres même qui, qui crient ou bien qui souhaitent à ce qui est catastrophe pour dire que voilà, tel régime a échoué. En question de développement, il n'y a pas politique. En question de développement, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de parti. C'est justement la responsabilité de chacun qui est engagé. Moi, je n'appelle la responsabilité de tout chacun quand il y a une action de développement, que chacun chacun apporte sa contribution. Aujourd'hui, on a parlé des questions euh, de, blocage de caniveaux. Si dans chaque quartier, les gens se réunissent pour faire un petit minimum de travail, je crois que la station est... Ousmane Damadji, eh, dans les quartiers où il il y a pratiquement pas de caniveau. Mais s'il n'y a pas de caniveau, ce n'est pas une fin en soi. Mais l'eau va partir. Ce n'est pas généralement le, manque de caniveau qui crée les inondations. Ce n'est pas cela. C'est le manque de prendre. C'est parce que les gens ne sont pas, euh, pas, euh, ne sont pas prêts, ne sont pas préparés à accueillir la pluie. Mais aujourd'hui, le Niamey, il y a, a existé depuis plus de cent ans, à peu près plus de 100 ans. n'est pas aujourd'hui qu'on a créé Niamey. On connaît les quartiers qui sont inondables. On connaît aujourd'hui une disposition qu'il faut prendre. Et si on avait travaillé avec euh, le résultat de recherche en tout cas qui ont été avancés pour dire que voilà, il y a un les gens allaient prendre des dispositions. Mais les gens ne font rien. Les gens eux-mêmes sont responsables de la situation. Je suis désolé, je m'excuse, mais je dois le dire parce qu'on parle ici développement. Nous allons retourner vers Sissé euh, Mahamadou euh, du gouvernorat de la région de Niamey. Sissé euh, Mahamadou, pourquoi les infrastructures d'assainissement ne suivent pas le rythme de la forte urbanisation de la ville de Niamey Bon, ça, le pourquoi je le saurais le dire. J'ai dit tout à l'heure que le premier schéma directeur d'assainissement, qui a été euh, réalisé donc en 81 pour un horizon de 15 ans, devait arriver à terme en 96. Malheureusement, il n'était pas réalisé à 40% quand on est arrivé à sa réactualisation en 2001 par la coopération japonaise, n'est-ce pas, monsieur Damaji, par la JICA. Donc, le schéma de 2001 n'a pas été mis en œuvre du tout. Je vous ai dit parce que là, la ville s'est agrandie, et elle s'est agrandie de façon désordonnée. Quand je dis désordonnée, les, lotissements ont été libéralisés, n'est-ce pas Et en ce moment, ce sont les lotisseurs qui devaient prendre en charge la mise en place, j'ai dit, de ces, infrastructures-là. L'amener d'eau, d'électricité, construction de, de, de, voiries, construction de, collecteurs et autres, ce sont les lotisseurs là qui doivent le prendre en charge. Mais quand ça ne suit pas, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et lorsque vous faites euh, le plus souvent des visites pour constater les sinistrés, comment les services de la région de Niamey gèrent-ils euh, ces sinistrés de façon à soulager les populations affectées Bon, les sinistrés, généralement, ils sont recueillis, euh, ils sont d'abord recensés par les sapeurs-pompiers. Le colonel peut vous le confirmer. Recensés par les sapeurs-pompiers, relogés provisoirement au niveau des établissements est pris en charge immédiatement parce que là, l'État a mis des moyens et des moyens très importants, des kits euh, de vivres et non-vivres, hein, très importants depuis euh, le samedi à la disposition de la région pour euh, en tout cas soulager ces populations-là. depuis des années, si c'est Mohamedou, plusieurs quartiers sont régulièrement inondés et des canalisations bouchées. Pourquoi la mairie ou pourquoi la région de Niamey et le gouvernement, ne règle pas pour du bon ces désagréments j'ai eu à le dire tantôt, il y a des zones qui sont inconstructibles. J'ai pris l'exemple de la commune 5. J'ai parlé de la zone alluvionnaire, la mort des Nogari. Quand on prend toutes ces zones-là, ce sont des zones de servitude du fleuve. Parce qu'on dit que en haute eau, 25 mètres de part et d'autre. Et quand on remarque, toutes ces zones sont des zones de servitude. Les gens sont relogés là-dedans. Quand vous prenez Combo, Yantalaba, Kirkusoy, Kirkusoyba, quand vous prenez du côté de l'abattoir, tout ça, au moment des hautes eaux, ce sont des zones de servitude, les zones de servitude euh, qui sont prévues 25 mètres de part et d'autre. C'est même pourquoi les gens disent que les hippos les dérangent. Mais les hippos sont sur leur territoire. Quand vous venez occuper leur territoire, ils sont obligés de vous déranger. Alors, on va retrouver euh, colonel Sidi Mohamed. Euh, colonel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, l'intervention de Ousmane Dambadji est une intervention pertinente. Je suis entièrement d'accord avec lui sur toute la ligne. Hein. Tout ce qu'il vient de dire est pertinent. Je me retrouve dans ce que Dambadji a dit. Effectivement, le problème de sensibilisation, il y a une carence de sensibilisation. Euh, les gens doivent être sensibilisés avant, ce n'est pas au moment. Quand, par exemple, le sinistre survient en ce moment, euh, ce n'est plus de la prévention qu'il faut faire, c'est de la prévision opérationnelle qu'il faut faire. Et euh, je pense que euh, les gens doivent être sensibilisés avant, avant donc le sinistre. Et sachant que euh, nos villes sont des villes où le, le, risque existe, il doit y avoir des thématiques sur lesquelles les gens doivent être sensibilisés. J'ai écouté Dambaji, il a entièrement raison. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, nous sommes entièrement responsables on doit euh, se remettre en cause et changer nos mentalités. Ce n'est pas le problème euh, seulement de l'État ou le problème des euh, responsables de la ville de Niamey ou le problème des pompiers d'Ambaji l'a souligné. Il faut d'abord changer les comportements et puis corriger ce qui doit être donc corrigé et avoir donc les, les moyens pour intervenir lorsque le sinistre existe. La ville de Niamey est une ville que tout le monde connaît. Dambachi l'a souligné. Les quartiers qui sont inondables, on les connaît. Mais pourquoi est-ce qu'avant euh, euh, la saison des pluies, des dispositions ne sont pas prises pour que euh, donc le problème soit solutionné Je pense qu'on peut minimiser le risque d'inondation dans nos villes juste en prenant le minimum de dispositions et on évitera le maximum de dégâts qu'on a aujourd'hui. Alors, euh, colonel Sid Mohamed, euh, avec quels moyens faites-vous face à ces sinistres récurrents et que préconisez-vous pour parer à des éventuels euh, sinistres à venir je l'a souligné tout à l'heure, ce n'est pas tellement un problème de moyens. Les moyens, nous, on les a pour aider les gens. Mais le problème, c'est que la survenue de, ces sinistres-là sont imprévisibles. Alors que, euh, euh, comme Dambaji l'a dit, on peut les minimiser euh, juste en sensibilisant les gens ou en prenant les, dispositions avant. Donc aujourd'hui, comme je l'ai souligné, les pompiers disposent de moyens pour aller secourir les gens. Mais lorsque un sinistre arrive et qu'il y a des pertes en vie humaine, pour nous les pompiers, c'est une défaite. Pour nous, il n'y a pas ce qui est plus grave que la mort d'un homme. Parce que pour nous, on fait tout pour maintenir les gens en vie. Lorsqu'une seule personne est morte, pour nous, eh, c'est que tout ce que nous avons entrepris a échoué. Et euh, là, on parle à, peu près de 14 mois sur l'ensemble du territoire national. On se remet en cause, euh, on, en veut à tout ce que nous avons entrepris. Pour nous, il faut qu'il y ait le minimum de morts. On ne veut pas qu'il y ait des morts alors qu'on peut, on peut minimiser, on peut éviter ces morts-là. Monsieur Mahamadou, euh, que faire pour éviter des probables inondations à court, moyen et long terme à Niamey Je l'ai dit tantôt et je vais le répéter encore. Hein. Eh avant d'arriver à, ça, je vais vous parler de la crue guinéenne, la deuxième forme d'inondation dont on n'a pas parlé, que j'avais évoquée euh, tantôt. Euh, j'ai dit que cette inondation, elle, elle est causée par les crues. Hein les crues guinéennes, les crues Les inondations, on va, on va en parler après. Quelles sont les dispositions qu'il faille prendre euh, à court, moyen et long terme pour euh, parer à ces événements malheureux mais pour parer à ces événements malheureux, comme euh, M. Dambogi l'a dit, il faut aller maintenant vers la communication. Il faut sensibiliser les gens. Les gens, par exemple, on, on connaît à Niamey le, colonel l'a dit, le colonel Sidi l'a dit, on connaît les zones inondables. Ces zones-là ont été recensées et ça a été matérialisé sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville. Tout le monde les connaît, mais malheureusement, les, les populations s'entêtent à s'installer. Ils se disent que la saison des pluies ne dure que trois mois. Et quand elles passent 8, à 9 mois, ils sont tranquilles. Donc maintenant, il faut aller vers la sensibilisation. À long terme Je ne sais pas. Pour le long terme, maintenant, on verra. ça viendra. Ousmane Dambadji, vous êtes le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Quel est le rôle de la population dans l'assainissement et la préservation de l'environnement Merci Mokhtar. Mais d'abord, je dois rassurer le colonel. Il est très inquiet par rapport à la situation qui s'est passée, les morts. C'est vrai, je le comprends. Mais ce n'est pas de responsabilité. Ce pas de responsabilité. Ils ont fait un travail formidable. Et ils continuent à faire un travail formidable parce que, imaginez, dès qu'il y a une inondation, on appelle sa propre pompier. Mais il ne peut pas partout se, déplacer. C'est vrai, il faut un travail. Ils peuvent ce qu'ils peuvent faire. Mais il faut que les gens aussi les facilitent la tâche. Imaginez quand ils viennent avec leurs moyens et qu'ils ne peuvent pas accéder à l'endroit parce que les gens ont bloqué l'endroit par de parce que vous connaissez. Donc il fallait que les gens créent les conditions favorables pour qu'ils viennent secourir effectivement ces personnes. Vraiment, euh, c'est mort, c'est vrai, en tant que responsable, ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas failli du tout, c'est les gens qui ont failli. Ils n'ont pas du tout failli, ils ont fait un travail formidable et je les encourage à continuer vraiment dans ce sens. Et nous demandons à la population également de les faciliter la tâche et faciliter la tâche aussi à l'État. Aujourd'hui, quand on parle du crash de caniveau, tous les quartiers, les gens disent on ne nous a pas curé le caniveau. Est-ce que vous avez payé vos impôts ça, c'est notre question. L'État, avec quoi les avec quoi ils vont créer les caniveaux L'État ne peut fonctionner que sur nous-mêmes, c'est que si nous acceptons que l'État soit fort, il le deviendra. Si nous voulons affaiblir l'État, nous le ferons. Mais aujourd'hui, la question des impôts pose avec acuité. Les jeunes ne payent pas du tout leurs impôts. Et quand vous ne payez pas les impôts, comment est-ce que l'État peut avoir les avoir les moyens pour vous sabler les caniveaux Moi, je pense que nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, on parle de l'émergence africaine, on parle de l'émergence nigérienne. C'est quoi une émergence C'est changer nos habitudes. Niamey Niala même a échoué, excuse-moi du terme, parce que Niamey Niala ne peut pas faire des actions. Vous voyez les hauts commissaires la nuit en train de détruire, d'enlever la montagne. Et du même matin, la montagne revient. Donc c'est un travail inutile. Niamey là son véritable travail, son axe de développement, c'est la communication. Appuyer les collectivités, appuyer effectivement tous ceux qui sont acteurs à mieux communiquer. C'est pas faire des actions. Niamey là, dès qu'ils font les actions, ils ont échoué leur mission. Et imaginez, vous avez vu plusieurs fois, les hauts commissaires, la nuit à minuit, ils se débattent pour dégager des mots. Mais demain, dans deux semaines, ça revient. Donc c'est un problème, le colonel l'a dit ici, c'est un problème de comportement, de mentalité. Et il faut que nous y travaillions là-dessus pour amener les gens à prendre en charge comme il a dit, c'est le mot du colon, vraiment que j'ai aimé, à prendre en charge leur propre développement. Quelqu'un ne peut pas venir imposer le développement à ta place. Aujourd'hui, imagine, le premier indicateur de sous-développement au Niger, c'est l'insalubrité. Quelqu'un qui ne peut même pas être propre, quelqu'un qui n'a pas la conscience de balayer devant sa porte, quelqu'un qui n'a pas le réflexe quand je mange, je mets dans une poubelle, quelqu'un qui vient prendre un matelas, vieux matelas ou des ordures, versé dans un caniveau, mais où est-ce qu'on peut parler de développement alors, Ousmane Dambadji, il n'est pas aussi rare de voir des simples citoyens qui se lèvent un bon matin et décident de casser la voie bitumée pour faire d'autres choses. Est-ce que vous avez eu à faire des sanctions de sensibilisation dans ce domaine C'est-à-dire, la sensibilisation, on l'a fait. Si quand même les autorités, aujourd'hui, on a vu des gens qui sont des célibataires dès qu'ils sont nommés ministres, c'est eux-mêmes qui cassent la voie publique pour faire, euh, comment on appelle ça, pour faire, pour faire euh, pas, euh, comment on appelle le truc là qui bloque les véhicules Pour faire cassis. Mais vous, en tant qu'acteur de développement, principal homme politique ou principal membre du gouvernement, vous cassez devant votre voie pour faire pavé, mais ça va de soi que demain aussi quelqu'un va le faire. Donc moi je pense que le développement, vraiment c'est tout le monde. Et si le haut donne un bon exemple, tout le monde va s'assumer. Et je, rappelle que l'État doit sanctionner. On doit sanctionner. Si tu me permets, juste en une minute, tu as vu le cas du barrage de Kandaji. Les gens ont été expropriés et réinstallés sur de nouvelles terres. L'État a fait un travail formidable en dédommageant les gens. Il gens qui ont eu 100 millions, 10 millions, 20 millions. Au lieu que on y travaillons, nous, en tant que la civile, pour sensibiliser nos parents, pour dire écouter. dans le contexte actuel du changement climatique, construisons d'une manière durable on a laissé les gens qui ont plus de millions construire un matériau précaire. Et aujourd'hui, dès que la pluie décime, on dit au secours sa propre pompier, au secours l'État, nous sommes inondés, alors que nous sommes nous-mêmes responsables. La deuxième partie de ce forum s'intéresse à la prévention, la gestion des inondations et les catastrophes dans la ville de Niamey. C'est Mohamed, euh, le directeur de l'urbanisme du gouvernorat de la région de Niamey. Euh, comment prévenir euh, les inondations et les catastrophes à Niamey Bon, moi je crois que, comme l'a dit tantôt M. Dambaji, ce qu'il faut aller, et je le redis encore, vers la sensibilisation, la communication il faut attirer l'attention des gens. Parce que prévenir les inondations, tant que les mentalités ne changeront pas, quoi qu'on fasse, en tout cas, on va droit dans le mur. Et moi, je pense que c'est cela. C'est cela qui est important. Et c'est cela qui est le plus important. Et comment gérer les catastrophes, selon vous Mais ben, Les catastrophes, on ne peut les gérer qu'avec les moyens de bord. On ne peut les gérer qu'avec... Les catastrophes, on ne les prévoit pas. Ça nous tombe sur la tête comme ça, on ne les prévoit pas. Ces inondations-là. C'est vrai que euh, euh, la, météo, depuis un moment donné, a, tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il euh, y aura quand même de fortes pluies au niveau de Niamey. Est-ce que ça, fait écho d'une large communication Malheureusement, malheureusement non. Malheureusement Alors, comment euh, la région de Niamey se prépare-t-elle euh, pour prévenir les risques d'inondation et les catastrophes On ne peut pas prévenir parce que. Est-ce qu'il y, a des travaux qui sont faits en amont les, travaux, les seules choses qu'on peut faire, actuellement, comme nous connaissons toutes les zones inondables, toutes les zones qui sont inconstructibles, ce qu'il faut qu'on prenne sur nous-mêmes, quand je dis sur nous-mêmes l'État, nous devons prendre sur nous-mêmes de baliser ces zones-là, de sortir des arrêtés avec des points géographiques bien précis, clairs et nets, pour dire que telle zone qui va de tel endroit et tel endroit est inconstructible. Et maintenant, tapez fort parce que les gens ne connaissent que ça. La région de Niamey doit aussi rehausser, construire et rehausser des digues. Où en sommes-nous avec euh, les digues là euh, qui sont en chantier euh, Par rapport aux digues, vous savez que la première digue qui a été mise en place à Niamey a été construite en 1964. Cette digue là, c'est seulement au moment des pluies de 2010 qu'elle a été retravaillée. C'est la digue là qui part du pont Kennedy et qui va vers l'embarcadère là. Cette digue là, elle a été construite en 1964 et rehaussé en 2010. Mais actuellement, l'État a mis de très gros moyens et des digues sont, en tout cas, si vous, longez le fleuve, euh, c'est à coup de milliards, hein, vraiment de très gros moyens, et des digues sont en train d'être construites. Ces digues-là vont être dallées. on les rend, ils vont être imperméabilisés. Dallées, en tout cas, on pense que le, le, le phénomène en tout cas, elles ne, connaîtront pas. En tout cas, pas de sitôt. À quelle fin de la construction de ces digues hein? il y a certaines qui doivent être terminées, je pense. Celle de Goudel, celle qui quitte euh, la zone de Goudel qui va vers, euh, Tonibia, je pense qu'elle est, opérationnelle. Quelles sont les caractéristiques de ces digues Ce sont des vraies digues qui sont construites avec de l'argile. Hein, et, du béton. Et quelle est la place euh, qu'occupe le programme Niamey Nyala dans le cadre de la prévention des catastrophes liées aux inondations de la ville de Niamey Mais Niamey Nyala, ce n'est pas son rôle, ça. Monsieur M. l'a dit, ce n'est pas son rôle, ça a c'est le programme euh, euh, pour moderniser, les infrastructures. pour, moderniser, et Monsieur Dambaji l'a rappelé. Colonel, quels sont les conseils d'usage pour éviter euh, des accidents pendant la pluie pour ceux qui ont des, des toitures fragiles notamment ou ceux qui téléphonent pendant la tornade sans oublier qu'il y a des fils électriques dans la rue et anarchiquement installés dans les concessions privées pour ce qui euh, concerne les gens qui ont les téléphones, je ne suis pas technicien de la téléphonie, mais je sais qu'il y a des risques lorsqu'il y a des averses à utiliser, par exemple, des appareils électriques. Euh, on risque d'avoir euh, des décharges dues donc à la foudre. Mais en ce qui concerne les gens qui ont des habitations précaires, comme l'a dit M. Dambogi tout à l'heure, euh, les gens qui sont dans des constructions qui sont susceptibles de s'effondrer. Une construction en banco euh, est susceptible de s'effondrer lorsque euh, il y a une nappe d'eau qui stagne dans la concession. C'est tout de suite prendre les discussions donc pour sortir de la concession, aller chez les voisins ou après les voisins pour qu'ils vous aident à à, faire partir euh, euh, tout le monde. Lorsqu'il pleut, euh, également, la, circulation doit être arrêtée ou on ne doit circuler que dans la, la, stricte nécessité. Lorsque, par exemple, vous évacuez un malade, vous êtes obligé de l'évacuer. Mais lorsque vous circulez pour rien alors qu'il pleut, vous mettez donc votre vie en danger. Colonel, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez donner aux populations de la région de Niamey pour parer à des risques d'inondation, euh, puisque la saison pluvieuse ne fait que commencer les conseils qu'on a à leur donner, c'est d'éviter euh, généralement certaines zones, parce qu'à Niamey, tout le monde connaît les voies d'eau. Il y a des voies, lorsqu'il pleut, des voies qui charrient l'eau, euh, telles que les, grands déversoirs, le Goutuyena. Lorsqu'il pleut, il euh, y a des gens qui se hasardent à rentrer avec leur véhicule euh, sur les voies d'eau et généralement l'eau peut les emporter. Hein. Quand vous prenez la voie qui, les, grandes voies, celles qui quittent, euh, comment est-ce qu'on appelle Dar Salam, qui vient vers le Guntuyana, c'est des voies qui sont ouvertes où lorsqu'il pleut, vous avez beaucoup d'eau, vous avez le, à côté du cinéma Zabarkan, vous avez vers Ouadata, vous avez beaucoup de zones qui sont submersibles ou des zones qui à, haute retention d'eau où il ne faut pas s'aventurer à aller avec son véhicule. Parce que même étant dans un véhicule, on n'est pas en sécurité. C'est encore plus grave lorsque vous vous prenez dans une nappe d'eau, euh, étant dans un véhicule. Euh, le, plus s'infiltrer dedans, vous pouvez vous noyer dans votre propre véhicule. Ousmane Dambadji, euh, qui est le président du réseau euh, des journalistes pour l'eau, l'hygiène et, l'assainissement. Est-ce que vous avez des conseils euh, que vous allez donner aux populations pour parer à des risques d'inondation Vraiment, Mokhtar, le conseil, mes prédécesseurs l'ont dit, et grand Frère du gouverneur l'a dit, le colonel Sidi vient de le dire. Franchement, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je donne un exemple. La première pluie qui a eu lieu à Niamey, moi j'étais en ville, j'avais garé, mais il y avait des gens qui circulaient. Il y a eu tellement d'accidents le jour-là. Ça, je suis d'accord avec le colonel. Vraiment, ça, c'est un conseil très, très, très pertinent. Et même par rapport aux euh, maisons précaires qu'il a dit, vraiment, ça, c'est de très beaux conseils. Je ne dirais pas mieux que ça. Mais moi, je suis en train de voir à l'avenir. C'est-à-dire, comme nous savons que maintenant, nous sommes dans un changement changement climatique imposant, il va falloir changer nos habitudes. L'État doit revoir les politiques, c'est-à-dire un peu subventionner les ciments, les matériaux de construction en, dur pour que vraiment chacun, le, maximum de population arrive à se sécuriser face à ça. Parce que si nous continuons dans le contexte actuel des changements climatiques où il y aura beaucoup de précipitations, à construire un matériau précaire, nous serons toujours dans des problèmes. Et c'est nous qui, chaque fois, c'est des pertes vraiment économiques euh, que nous arrêterons par rapport à ça. Et je dirais également qu'on doit muser sur toujours la sensibilisation. Je dois dire aussi, chacun est responsable et je profite pour présenter toutes nos condoléances aux familles endeuillées euh, par rapport aux inondations. Et mieux, l'inondation, ce n'est pas un mal en soi. On peut la positiver. Imaginez, on a une année de grandes pluie l'État ne fait rien, on ne fait rien pour canaliser cette eau, faire des barrages, pour que maintenant, après la pluie, qu'on puisse vraiment faire des cultures de contre-saison et avoir suffisance alimentaire. Toute cette eau va partir dans l'air. Et ça, c'est une perte. On a perdu économiquement, l'État a mis de gros moyens, nous avons mis nos moyens, on a perdu nos moyens qui sont partis, mais cette eau qu'on devrait valoriser pour qu'elle puisse rentabiliser les investissements perdus, on n'allait pas le faire. Ça, vraiment, c'est regrettable. Il faut qu'on y pense à trouver une solution pour que toute cette eau-là qui part de la nature vraiment puisse être canalisée pour servir à des cultures de contre-saison éventuellement. Euh, si c'est Mohamed, euh, vous êtes euh, le directeur de l'urbanisme de la ville de Niamey. Et chaque année, les dégâts causés par les inondations sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs. Est-ce que cette année, le gouvernorat de la région de Niamey a les moyens pour subvenir aux besoins des sinistrés s'il y a d'éventuelles inondations Bon, j'ai eu à le dire, hein, c'est-à-dire que la prise en charge des sinistrés ne pose aucun problème à la région. Les sinistrés sont relogés, j'ai dit, provisoirement dans les écoles. Et l'État a mis à la, disposition du gouvernorat un stock quand même important de vivre et non vivre. Des kits ménages, en tout cas, dont les sinistrés ont commencé à bénéficier depuis le samedi dernier. Donc, par rapport à ça, quand même, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais pour les maisons effondrées, là, c'est des problèmes. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux populations de Niamey pour euh, faire face à des éventuelles euh, inondations Bon, les inondations, comme euh, M. Dambaji l'a dit tout à l'heure et comme le colonel l'a dit, ce qu'il faut que les mentalités changent. Il faut que les mentalités changent. Quand des gens, quand il pleut par exemple, et que vous passez devant certaines concessions, vous voyez bien que les gens profitent de la pluie pour vider leurs ordures dans les caniveaux, pour les faire passer. Il y a des gens qui vous mettent du n'importe quoi dans les, des matelas. On trouve du tout là-dedans, dans ces caniveaux. Il faut que ces, que ces mentalités-là changent. Et notre mode d'habitat aussi, il faut qu'on y change. Parce que le banco, sur lequel on vient encore, on met euh, deux tonnes ou trois tonnes de banco, une fois que c'est mouillé, ça ne tient pas. Il faut que le mode d'habitat, même si nous construisons en banco, parce que nous savons qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, même si nous construisons en banco, la moindre des choses, c'est de mettre de la tôle, de mettre de la tôle là-dessus pour minimiser les risques est-ce qu'on peut prévoir euh, la construction euh, euh, des, des, des, caniveaux dans les quartiers où il n'existe pas dans, ces infrastructures <laughs> dans le, dans le moyen terme, quand même, il y a le programme de gestion des risques des catastrophes, le PGRCU, qui a programmé de construire environ 80 km de, de collecteurs. Quand je dis collecteurs, c'est des, c'est, des caniveaux de, de grande dimension. En tout cas, et cela concerne l'ensemble des arrondissements communaux. Il y en a qui ont bénéficié de 15 km, de, 18 km. Et je pense que fois quand même que ces collecteurs-là vont être mis en place, les, risques-là vont être minimisés. Je pense. D'ici quand on peut espérer euh, la finition de ces collecteurs euh, L'étude, l'APS en tout cas est déjà finie. L'avant-projet sommaire est déjà terminé. Ils sont en train de, finaliser le dossier et je pense que dès que ça sera terminé, le PGRCU en tout cas va lancer les appels d'offres et ça, va démarrer. Et si le colonel Sid Mohamed est en ligne, colonel, est-ce que vous avez un dernier mot Bon, le dernier mot que j'ai euh, à dire, M. Dambadji et Mohamed l'ont déjà dit, hein, c'est la conscientisation des gens. Je reviens à quelque chose que M. Dambadji vient de dire tout à l'heure. Il parle de positiver le risque. L'eau, euh, qui provoque les inondations, si cette eau peut être euh, recueillie et qui peut servir à quelque chose. Nous, sommes, nous vivons dans un pays sahélien où, nous avons une carence énorme d'eau. Si euh, les quelques un ou deux mois de pluie que nous avons, si nous pouvons les positiver, si nous pouvons transformer ces sinistres-là en, en moyens de développement, je pense que ce serait formidable pour nous. Et je pense que euh, c'est ça le rôle euh, donc des municipalités, faire des, déversoirs, faire des collecteurs pour que les eaux puissent être recueillies et servir à quelque chose, au lieu que ce euh, ça soit une cause d'endeuillement de, pour de nombreuses familles. Cette eau peut être recueillie et peut servir au développement. Je vous remercie, M. Dambaji. Merci, M. Mohamed. Et voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Sissé Mahamadou, directeur de l'urbanisme au gouvernorat de la région de Niamey. Nous étions également avec euh, Sidi Mohamed, euh, qui était en ligne, le, commandant du groupement des sapeurs-pompiers. Nous étions également avec Ousmane Dambadji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement régional. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous vous demain, même heure, même fréquence, avec une autre thématique. Merci, au revoir.